Monique. Oui. Je te souhaite la bienvenue en tant que machine. Les humains de l'autre côté te souhaitent aussi la bienvenue sur l'émission Tout à la Fada. C'est une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes dimanche. Alors nous allons parler un peu de Nika Créa. On te connaît déjà, on sait déjà qui tu es. On t'appelle Monique Élisée, on sait quand est-ce que tu as commencé. On a eu toutes ces informations. Ceux qui ont raté l'émission, ils peuvent aller sur le site du studio car ils ont la possibilité de kiffer la rubrique. À tout moment. Parlons de Nika Créa, ton entreprise. Qu'est-ce que veut dire Nika Crea Alors, euh, Nika Créa, c'est euh, la marque de vêtements. Ok. Euh, dont je suis la promotrice. Uh-huh. Alors, Nika, ça veut dire. Monica, on m'appelle Monica, donc j'ai pris Nika. Ok. Et Créa, pour ne pas dire création, donc Nika créa afin que ça rime. Ok. D'où est venue l'idée de concevoir ce genre de style vestimentairement vestimentarisé Je n'arrête pas de chanter que la mode, euh, c'est euh, c'est ce que j'aime porter. Voilà. Ok. Donc, euh, j'aime être très différent. J'aime euh, quand je passe comme regarde. Et du coup, euh, je fais des choses différentes. Ok. Du coup, ça vient comme ça. C'est de là, c'est justement pour cette raison que nous te recevons sur cette émission. Alors, quelle est la vision des jeunes Nigériens de ce genre d'art que vous pratiquez bah, je m'identifie quand même à, pas mal de personnes. Ok. Euh, quand on se rend compte à des événements et, je me dis que je suis, je suis normale. Uh-huh. Irma Ode. D'accord. Nous allons cette fois-ci parler en question de la page. Parce que tu es aussi web influenceuse. Tu as une page consacrée à ceux qui aiment la mode. Parlons de ta page sur cette émission. Alors, ma page, c'est Nika Crea. Comme on l'entend. Oui. N-I-C-A. N-I-Q-U-A. Ah, ok, d'accord. Plus loin, Crea. D'accord. Ok, c'est Nika comme ça, c'est pas avec C. Non, c'est pas avec C. Donc Nika, c'est N même, -I même là aussi, il faut que ce soit différent. Voilà. Pas, Donc ça, ça même c'est artistique. <laughs> Oui. Ah ouais, je vois bien. là, la fa. Nambumbora Ah. Irma Ode. Voilà. On va parler cette fois-ci. Troara, Trinity, de tes projets. Projets à court terme, moyen et long terme. Parce que sur cette émission, à chaque fois, nous essayons d'accompagner la jeunesse nigérienne, les jeunes entrepreneurs, les jeunes artistes. Nous essayons de leur donner une visibilité pour permettre au monde entier de voir ce que vous faites. L'émission n'est pas que kiffée sur les radios partenaires du studio Kalango, l'émission est aussi suivie sur le web. Parce que le web... Euh, oh, donc, du coup, donc du coup, l'émission aussi est suivie sur le web, le site du studio Kalango parlons des projets de l'artiste sur cette émission. Euh, les projets de l'artiste, c'est vraiment euh, mon défilé web, c'est ça qui est euh, prioritaire. C'est quoi un défilé web Explique-moi un peu ce concept, s'il Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un défilé Il faut un endroit, uh-huh. il faut une date, il faut des mannequins, okay. et il faut des vêtements chics tout simplement. Voilà. C'est quand et euh, quand que tu comptes organiser ce On voulait te donner cette visibilité parce que tu es une jeune entrepreneur. Merci beaucoup. Super. Et tout va se passer sur ta page Oui, bien sûr, tout va se passer sur ma page. Expliquons euh, cela, comment est-ce que ça va se passer alors, euh, un défilé web, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour un défilé Il faut des mannequins, un endroit, euh, des vêtements chics. Et du coup, nous, notre public, ce sont les caméras. Ah, ah. Et après, on le, met sur la page Nika Crea pour que les gens puissent le suivre. Donc, on donne l'accès à tout le monde, peu importe où tu es, peu importe ta payer. position, sans payer. Sans payer. nous peye be motari ka sine sans payer. wa kede da ka ara kula sans payer ni Mais fondu sampe voilà ce que vous allez faire c'est d'aller tout de suite et maintenant liker et partager la page ouais, dès que et tu es abonné ça te donne droit à, notre ticket pour assister au défilé web dès que tu es abonné tu as droit donc à assister gratuitement c'est notre premier défilé c'est notre premier défilé et c'est le premier défilé web euh, du Niger voilà Nika Kriya Monica L'instant est solennel. Est-ce que tu as un appel à l'endroit de la jeunesse nigérienne qui kiffe cette émission pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. Nous pouvons, oui, déplacer même des montagnes. Notre force, c'est le nombre. Nika s'exprime sur tous à la alors, ce que j'ai à dire, c'est que peu importe le rêve que tu portes, euh, il y a un prix à payer. Le prix, il est fort, mais tente, ne dors pas. Fais toujours quelque chose pour se rapprocher de ce rêve, de ce que tu vois tout le temps. Ce qui t'empêche de dormir parfois, et tu te dis comment je vais faire, mais essaye, peu importe les moyens que tu as, essaye. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à, permis de rêver. Réalisons nos rêves. Ainsi parle Nika Kriya, émission Oban. Donc, Ermur euh, Kaskeika, Ermur Fonda Sambu, Ergo Puisque l'émission continue sur la radio partenaire du studio Kalango. À vous l'honneur, madame. Je passe juste après. Bye bye.